Pour votre question, ma présence n'est pas celle d'un représentant du gouvernement, c'est celle d'un fils de la Médina et d'un responsable politique et d'un citoyen de la Médina qui a été derrière son maire pour travailler. Donc mes premiers mots vont naturellement au chef de l'État, euh, pour cette décision qu'il a prise de venir en soutien aux populations dans le cadre du programme de résilience économique et sociale qui a deux composantes. La première, faire face au Covid. La deuxième, relancer l'économie. Et nous sommes dans cette séquence qui se termine aujourd'hui. Monsieur le maire l'a dit, donc après avoir remercié le président, nous lui adressons nos félicitations et notre gratitude pour sa disponibilité, son ouverture d'esprit, puisque nous avons travaillé pour arriver à cette journée en toute régularité, en toute transparence. Vous avez entendu le rapport du sous, de l'adjoint au sous-préfet qui peut en attester. Aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est que le processus se termine. Comme le président l'a indiqué et comme nous nous y sommes employés, en toute régularité, en toute transparence. La dynamique à la Médina est une dynamique unitaire. C'est ce qui nous a permis, comme l'a dit M. le maire tout à l'heure, d'engager un travail au plan communautaire qui a commencé à porter ses résultats, puisque à travers les ASC, une action d'envergure a été initiée, à travers des actions au niveau des marchés, des boulangeries, des actions fortes ont été faites en concertation avec le maire et le conseil municipal. Donc euh, bravo à eux. Maintenant, le message à donner, il est le suivant. Le virus est bien là. Il faut redoubler de vigilance, ne pas baisser la garde. Les seules choses dont nous disposons pour faire face, c'est le lavage des mains, c'est le port du masque, le port correct. Je vois certains de mes petits frères le porter avec beaucoup de fantaisie, comme si c'était une question de mode. Un masque sous le menton n'est pas un masque. Un masque qui ne porte pas la protection sur le nez n'est pas bien porté. pour yàlla dimbali ñu mu musal ñu.